sen över. Figyelj! Evet, günde yiyeceğim, kalkıyor. that you, you, you, you, ger kon joore joor càmmeñ na li ngeen góoroo góoroo man waaw waaw yëf yi mën naa nuroo waaye du bokk jóob kenn du nuru bokki jàmbur kenn ku ne say bokk ngay nuru jóob lan joor jóob fa faati ngay caraw ma samba yaasin de ceefu jóobu bu la woon way ubbi sama kaw taal ko maa ñor. la joor yoo fa faati ñay. keroog la téeméeri ji bi tàkk. téeméeri ji bi tàkk. ñu mën a daw a daw ñu rey leen ñoo bëgg la

n a a t ñëw l si k a n ngeen p r é s e t é moom moo d a tëb h a i s e wala abal ko ba ñ o w o u

di jaajëfal organe de presse bu teew yëpp ñii nag ñooy Thiaré National mu mel ni tey dañoo jukki la fa nekk ñaari kuréel yu mag muy Thiaré Jalaaw ñoo ne na leen solu lébu ku xam tubaab Jalaaw xam ni lébu fa la fekk baax te si penc lébu yi si la bokk moo tax ñu teewale ko noonee si anam bu ni mel mm-hmm. fekkoog ëttu Kajoor ñoom ñu teewal mboorum kajoor ndax ku kajoor xam ni dàmmeel lan am moo tax sa lanu am ñu jukki fa dàmmeel ak géwal bi koy gunge fekkoo ki nga xam ni mooy sàbbaal di waykat bi noonee rek la caadana sonaa ñëwee def nañ fi nuyoo nuyoo bi rek firndeel na lu baree bari ñu ngi leen di jaajëfal man maa ngi tudd Sene Sène je suis le général de Kajoor je remercie Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. La date Du 27 novembre 2005. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est Quel beau Oui, c'est très bien. Venez ici. Je vais faire Attention, au profil. Prenez par là. Prenez le micro. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di am kontaan ci teewaat fii ndax teewoon nañ bi. ñun nag ñu nekk ci benn groupe bu mag bu ñuy wax Ngéwél ñu ngi nekk deux cent cinquante personnes ñëw pour teew fes pour teew ci festival bi di am kontaan trop dañoo mën a bu baax nag wax ji jëf ji lañ gën a may di gërëm bu baax tamit eh, ki nga xam ne mooy Baye Cheikh Ndiaye digal mi nga xam ne moo nekk suñu leader groupe boobu macha allah.

On que la cinquième édition du Grand Carnaval de Dakar, un événement pour xam qui rassemble tous les groupes du Sénégal Kayor Sine Bawol Jambo Saloum ñun ñëpp ñu àndandoo bokk ci li nga xam ne moom la ñuy woowee le passage culturel. Cette gisal dana le grand théâtre de ci jéego bu mag a mag mu collaboré à l'initiative de son nouveau directeur général bu koy wax Serigne Fall Gueye loolu moo ñu dajale fii tey ngir ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy cinquième édition du Grand Carnaval de Dakar ak nan la ci Grand Théâtre National demee lan moo waral lëkkaloo bi. balaa ñu ko woy damay présenté ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci taabal ji day commencé ci ki nga xam ne moom mooy le directeur général du Grand Théâtre National Serigne Fall Gueye sous vos applaudissements s'il vous plaît. jiital ki ci topp aussi le Moui, Samba Gaïté, le directeur artistique et de la coopération du Grand Théâtre National di Média Kumboro sur les applaudissements aussi. di ci teg aussi c'est la pièce maîtresse de cette activité elle est l'initiatrice de cet événement Moui Fatou Kassé ça. donc nga xam ne moom suñu li nga xam de moom de Grand Carnaval de la Dakar di qui teg ki nga xam Omar Bayan, mon nekk un grand acteur culturel un grand professionnel de la culture technique, ci qui ki nga xam ne moom direction du patrimoine directeur général de la DTC Omar Badiane ñu ngi lay nuyu sous vos applaudissements di ci teg aussi l'éminent musicien qu'on ne présente plus au monde de la culture mon koy wax guy Guillabert mu nekk membre fondateur

que je sais que c'est à les en français. Quand <laughs> même, là aussi, profiter de l'occasion aussi pour euh, remercier la presse d'être présente massivement aujourd'hui ici au de l'enchaînement des Merci, ça Merci beaucoup à euh, notre cher Tala Manet qui est notre attaché de presse et qui a un travail extraordinaire. Merci, c'est votre confrère. Merci à tous d'être là et à toutes aujourd'hui. Moi, je vais juste présenter le grand théâtre et passer la parole à mon DG pour qu'il souhaite dans sa maison euh, la bienvenue. Le grand théâtre, je veux qu'aujourd'hui que tout le monde sache que c'est un lieu emblématique qui incarne l'âme et le dynamisme de la culture sénégalaise. C'est très important. Cet espace qui n'est pas seulement un lieu de spectacle, mais un véritable pilier de notre patrimoine culturel. Depuis sa création, le Grand Théâtre a été un lieu catégorisé inaccessible aux Sénégalais lambda. Le DG, dans son engagement du Djoubel a décidé de rendre à César ce qui appartient à César j'aurais bien aimé dire, de rendre au Sénégalais le patrimoine, le grand théâtre Doudou Diaye Comme lieu de rencontre entre les artistes, les porteurs de projets, les amoureux de la culture du Sénégal, de l'intérieur du Sénégal, de l'Afrique et de la diaspora. Ça, il faut que ça soit clair. Le statut du grand théâtre aujourd'hui, c'est un statut sénégalais, panafricain, international. Et ça, nous allons travailler pour que tout le monde puisse y participer. Nous avons entamé une nouvelle ère pour ce grand théâtre. Ça, il faut le noter. Avec une vision encore plus ouverte et surtout inclusive. Notre objectif est de faire de cet espace un carrefour où toutes les voix peuvent s'exprimer, où les talents émergents et confirmés trouveront un écho et où la diversité de nos expressions culturelles sera célébrée. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez vu toute cette diversité qui est derrière et la prestation qui vient de nous faire. La culture, comme nous le savons tous, est le reflet de notre identité, de nos valeurs et de notre héritage. À travers les arts, la musique, le théâtre et la danse, nous découvrons de nouvelles façons de voir le monde et interagir avec lui. Ce nouveau souffle que nous donnons au Grand Théâtre vise à renforcer son rôle central dans la promotion et la valorisation des projets culturels, artistiques de notre pays. Ensemble, faisons de ce lieu un phare de créativité et d'innovation pour continuer à inspirer les générations présentes et futures. Je ne vais pas terminer mes propos sans vous raconter une anecdote. Le DG nous fait rêver. On est des rêveurs et on rêve tous au grand théâtre. Pourquoi rêver Parce que l'un des plus grands acteurs de la politique aux États-Unis disait un grave bruit. Martin Luther King. Et ce rêve a été réalisé avec Obama. Donc nous aussi, nous allons rêver. Nous allons rêver avec toute la population sénégalaise, ouvrir les portes du grand théâtre, qui soit accessible, et nous allons réaliser la réussite ensemble. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole au DG, Serine Falgei. Vous avez la parole du Grand Théâtre. Merci beaucoup, Monsieur Ndoui, avec euh, l'éloquence qu'il faut. Merci. Euh, ñu ngi les journalistes le Sénégal et le monde ñu ngi aussi euh, ñëpp ñu commençant par notre directeur DPC du patrimoine d'un petit label comme représenté par Fatou Kassessa, il y a aussi euh, euh, Henri Guillabert qui représente le Khalam, Nigel à notre côté et le grand Samba, notre Samba national. Euh, je voulais juste commencer par remercier les acteurs de la culture, vous dire que vous êtes ici chez vous, vous dire que nous entrons dans quelque chose, l'oreille euh, le, lancement du baptême du théâtre qui va se faire le 27, la veille du début du carnaval, n'est-ce pas Moi, je parlerai du lancement, Fatou Kassé vous parlera du carnaval. Le lancement, nous voulons faire le lancement du baptême du théâtre. Euh, durant le lancement, la journée, nous voulons faire l'AG de la culture rassembler tous les acteurs nous nous fii nous nous nous nous nous nous comment on le dit dialogue national de la culture on veut le faire ici avec le ministre Khady Diène le SE Bakarissa et toutes les associations les acteurs musiciens de l'art patrimoine nous ñu tous quels sont les mots et quelles sont les voix qui réconcilier le Sénégal Il euh, y aura aussi euh, des panels il y aura aussi des manifestations mais surtout on va faire le lancement du baptême qui va se faire en 2025 Là, je ne vais pas trop vous expliquer dans mes spoilers affaires. Légui, euh, je vous dis juste bienvenue. Vous êtes ici dans le temple de la culture. Merci beaucoup. Merci. Merci DG. Nous allons maintenant passer la parole au DG du patrimoine, Monsieur Oumar Bayan. que Dieu nous fasse grâce et favorise la prochaine édition du Carnaval de Dakar. Le Carnaval de Dakar, c'est vraiment le complément événementiel qui n'existait pas dans le paysage culturel de la ville de Dakar. Et depuis la première édition jusqu'à nos jours, pour ce que je puis constater et que je puis dire, c'est que c'est l'événement qui révèle aux Dakarois la diversité culturelle du Sénégal, mais aussi la diversité culturelle de la ville de Dakar, qui concentre le tiers de la population du Sénégal. Dakar, c'est un lieu de foisonnement culturel, où donc tout se retrouve ici, parfois pour y vivre définitivement, en essayant avec toutes les pressions de la ville de transmettre ce que ces populations, ces communautés, ces familles ont d'essentiel, à savoir leur âme, leur culture. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, parce que nous sommes l'émanation de différentes cultures et que nous essayons de mettre en cohésion pour en tout cas vraiment magnifier ce qui est symboliquement est très fondamentalement articulé au niveau des sceaux de la République. Un peuple, un but, une foi. J'ai accepté d'être à cette conférence de presse pour témoigner de la valeur d'une initiative portée par de valeureux Sénégalais et autour de ce groupe de Sénégalais, en tout cas vraiment l'incarnation en est surtout manifestée, magnifiée par Fatou Kassel que j'ai connu dans ce théâtre. À l'époque, j'étais directeur artistique et de la coopération. Fonction à laquelle mon frère Samba était m'a succédé avec force bonheur parce que je puis témoigner qu'il fait énormément mieux que moi. Vivement que le grand théâtre, en tout cas vraiment, puisse traduire l'interprétation de son rêve, l'interprétation du décret national, je dirais pas présidentiel, qui le crée et pour les missions, en tout cas vraiment, auxquelles l'administration du Grand Théâtre est appelée à répondre. Faire de cet espace un lieu de folie extrême, un lieu de rencontre. Folie extrême par l'audace de la créativité, montrer aux Sénégalais, les émerveiller par ce qu'ils ne peuvent pas espérer du génie créateur national. Mais aussi un lieu d'accueil du monde en tout cas, vraiment, parce que le monde peut nous offrir aussi comme diversité à partager. Et autre élément, c'est que ça soit véritablement un lieu des acteurs culturels, où donc il se passe de la production, il se passe des échanges avec des acteurs porteurs aussi d'initiatives qui renforcent la réalisation de ces rêves, comme le carnaval de Dakar. Un carnaval, ce sont des couleurs. Un carnaval, c'est la diversité. Un carnaval, c'est l'union dans la marche vers l'avenir, tout en sauvegardant ce qu'on a d'essentiel, l'âme de nos peuples. Et c'est ce qui fait qu'un carnaval est plus attractif que n'importe quel événement culturel. Vous organisez un festival de musique, etc., avec des vedettes. Les gens vont venir pour le festival, le temps du festival. Mais le carnaval appelle le monde à venir nous visiter à tout moment de la culture parce que les cultures qui sont véhiculées, montrées, promues autour des plateaux d'excellence ou des processions du carnaval demeurent, elles sont là. Quand vous organisez un grand festival de musique avec une affiche, vous mettez quand même vraiment n'importe quelle vedette qui marche, les gens vont venir pour le temps du séjour de l'artiste qui est connu, qui est bien aimé, le suivre en concert et on sait après quand même vraiment qu'il n'est plus là, il va à un autre rendez-vous. Mais nos cultures que nous montrons lors des carnavals, eh bien, vous prenez rendez-vous avec elles à tout moment de l'année. Vous pouvez visiter ces cultures, découvrir l'intérieur du pays. Et voilà pourquoi je voudrais en tout cas vraiment appeler tout le monde à soutenir le carnaval de Dakar. D'encourager les directeurs généraux, en tout cas vraiment, à donner plus d'engagement pour soutenir cet événement, qui dès le départ avait sollicité l'espace du Grand Théâtre, en tout cas vraiment, pour y abriter certaines de ses activités. Je pense que c'est un bon cadre. Mais d'imaginer davantage la participation des communautés au niveau de la ville de Dakar. Et chaque année, le carnaval met en vedette un groupe ethnique du Sénégal. J'en parle avec aisance parce que j'ai eu à partager plusieurs rencontres avec l'équipe du carnaval qui gère de manière formidable, qui illustre bien notre patrimoine et qui essaie de le véhiculer à travers le monde. Je voudrais sur ce vous rendre la parole, m'en excuser, en tout cas m'excuser auprès du public parce que j'ai un rendez-vous aussi. Je ne dirais pas important plus que, plus que ce rendez-vous, mais que j'ai déjà décalé parce qu'il était prévu à 11h. Je l'ai décalé vers 12h <laughs> pour pouvoir prendre part à, à cette conférence de presse, assister au début. À toutes et à tous, je présente mes amitiés et mes excuses. Merci beaucoup. Merci DG Oumar Bayan. Euh, merci d'être là malgré les urgences. Nous allons passer la parole au directeur artistique du Grand Théâtre, M. Gaïté. ça. Euh, merci beaucoup. Salam Mon bloc, alaikum. Euh, vous allez aussi me permettre de, de m'exprimer et en Wolof, des fois qui vais tout France. Comment alors tay tay bisu banex la bisu banex la doublement parce que euh, rendez-vous yu melni defena don na lo xamné Grand Théâtre min nako à chaque fois ñuy def suñu événement wala di lancer suñu programme dañ don dajalé presse bi dajalé suñu acteurs culturels yi nga xamné ñom ñoom ko sékkal pour présenter li nga xamné mom moom nam euh, je disais que bisu banex la parce que dañu am directeur bo xamné dafa am une vision bu extraordinaire pour l'anecdote bu muy ci théâtre bi lu mu ñu njëkk a wax leen rêver et ñun loolu la au niveau de la direction artistique au niveau même de tout le couple, tout le personnel du grand théâtre euh, boo demee ba wax c'est parce que nous ngi leen di course tey ñu génnee loo xam ne xëy na dépassé na c'est une prérogative ci loolu mun nañu mom ci mbëbëtam bëgg na li nga xamné mo manké Sénégal nga xamné ne namoon nañ ko fi lool ñu waat ko fi ci réew mi muy fexé def de sorte que Sénégal doonaat encore une plaque incontournable un lieu incontournable de la culture Fexé de sorte que rendez-vous culturel yi nga xamné mo fi doon am mu doon tax tey ñun ñi di jógee fépp ci àdduna ñu mun ko dekkilwaat fii nii au niveau du Sénégal yàlla def bi mu ñëwee Grand Théâtre mun nañu lépp loo xam ne lu lu rëy la te Grand Théâtre doon lu rëy war nañ ko war a mun a indi fii nii donc suñu nee le carnaval de Dakar ne le Grand Théâtre de Dakar fusion boobu lu war a mun a nekk la Et c'est rare de voir une direction qui se déplace vers des privés. Mom, c'est ce qu'il a fait Mom m'a déplacé au dem carnaval de Dakar ne man mi kat li ngeen di def defe le cadre idéal pour nous def ko te do leen dem ensemble Lolo waral tay ci gi il nous a instruit à prendre ce dossier en main au niveau de la direction artistique et faire de sorte que ce compagnonnage-là soit une réalité. Nous sommes avec l'équipe de, de Com, dirigée par la grande Fatou, avec nous, sunu kangam nous avons xam ne à titre individuel comme on le dit c'est des individualités remarquables parce que nous avons laa leen di tellement ils sont professionnels ci li ñuy liggéey ñu tëral as kurel bo xamné depuis lool ñu ngi liggéey di ci ci carnaval de Dakar carnaval de Dakar un euh, rendez-vous incontournable de la diversité comme niko sama naataango yi waxee ñu ni que liñ leen di au niveau du Grand Théâtre ça va ça va être inshallah du jamais vu au niveau de la direction artistique déjà nous dans notre politique nous nga xam ne moom la mener nos actions culturelles waratuñu léegi toog suñuy bureau dañu war a am une démarche inclusive Faire de sorte que nous sommes dara que acteurs yi talk, toog xam danseurs yi la xam musiciens yi la moo xam ñiy def théâtre la moo xam ñiy def yeneen type d'art que ñu ñoo toog ñu saytu programme yi ñu defandoo ce qui fait que programme yooyu noonu suñ koy dérouler population bi ku ci nekk danga ciy gis sa bopp doublement parce que lancement du festival euh, carnaval de Dakar a coïncidé ak le lancement du baptême Grand Théâtre de Dakar Nous avons yéene ko def le 27 et le 28 pour lancer officiellement li nga xam ne la en 2025 le grand baptême de Dakar le grand baptême du, grand théâtre mu donne une activité pour vous, aussi d'une parce que nous avons aussi à nos partenaires de la Belcom, pour que nous liguions ensemble comme nous l'avons déjà fait, ça sera un lieu de rendez-vous pour vous, aussi que tous les corps de la culture sénégalaise nous dajewaat nous nous toogaat ñu le diagnostic besoin des acteurs sur tous les plans lolu ñu sétu ko ñu tënk ko tek ko ci benn mémorandum boo xam ne daf ñuy permettre ëllëg si biir c'est-à-dire bu ñuy dugg ci 2025 ñu mën jël en considération l'ensemble des besoins des acteurs et ci baptême boobu également dinañ ci rendre hommage à une personnalité boo xam ne pour ñun monument la buy dépasser les frontières muy Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu fas yéene aux yeux du monde entier l'œuvre de Doudou Ndiaye Coumba Rose lépp loo autour de Doudou Ndiaye Coumba Rose jot nañu yóbbu Sénégal fu sori ñu am ñaari pays yo xam c'est des pays d'invités invités d'honneur moy le Japon ko xam Doudou Ndiaye Rose xam les relations yu mu am avec le Japon ñu am également la Chine yi nga xam aussi dañuy ñëw fekkee mbir bi du ma xuus ci activités yi parce que dina am beneen encore kuréel bi nga xam ne dinañ ko doot a ak yéen journalistes yi pour waxtaan ci lan la ñuy def spécialement jour ji mais xam leen ni que ñu ngi waajal ñaari événement ñaari événement yooyu waral tey lëkkaloo bii nga xam ne dañ ko am ak Labelcom pour présenter leen tey li nga xam ne moom leen fas yéenee def fas yéenee koo def du vingt vingt 27 vingt cinq 27 28 29 30 le 1er décembre Inch'Allah. donc di vous ci de woo di rafetlu la présence des journalistes parce que tay lepp lo xam ne ñu koy def en tout cas ci biir Grand Théâtre bu ko askan gi bu fenn c'est parce que y journalistes yi da qui ci jouer un rôle essentiel je saurais terminer sans pour autant remercier particulièrement les juristes personnalités yi nga xamné ne ñoo ci nekk je voulais faire un témoignage à l'endroit de du directeur de la du patrimoine parce que moi mon nekkoon fi au niveau du Grand Théâtre en tant que directeur artistique et de la coopération mom la wut won moom it mu def fii liggéey bu bu am solo euh, ci li nga xamné ne da ko sumb woon fii ci vision yoy len tambalé liguey ba nous un directeur général nous xam en daf ñu faire que ensemble avec tous les acteurs et on tend encore la main aux acteurs que ça soit ceux du Sénégal et ceux de la diaspora qu'on puisse converger ensemble pour qu'on puisse faire rayonner ce grand théâtre et que nous que nous n'avons rien à envier au reste du monde parce que nous avons un cadre et qui s'y prête pour pouvoir au moins abriter n'importe quel type d'activité, en tout cas qui valorise la culture. nous sommes que la culture est un levier incontournable et indispensable pour le développement de notre pays. Je vous remercie Merci, merci Monsieur Gaïdé qui est notre directeur artistique. Et j'en profite pour vous annoncer qu'il y a une parfaite collaboration entre la direction artistique aujourd'hui et une toute nouvelle direction de communication marketing que DG a installée. Et mes collaborateurs sont ceux que vous voyez devant. Vraiment une taxe forte qui aujourd'hui sera chargée de vendre l'image de ce grand théâtre plus que jamais. Sans plus tarder, nous allons passer un film de nos partenaires et ensuite donner la parole à la grande Fatou Kassessar. Projection de film pour 3 minutes. Non, c'est parce euh, que c'est en réunion avec tous les euh, membres actifs à l'enseignement santé. Nous devons tous les criminels à la santé.

Parce France, c'est 25 ans d'existence. Parce c'est plus de 130 musiciens. Parce c'est 300 membres inscrits. Parce Pascal, c'est plus de 20 jeunes instruments. c'est plus de c'est plus de 300 dans le Martinique, Saint-Lucie, Porto Rico, Paris, Canada, Côte d'Ivoire, New York et bientôt Dakar. Merci beaucoup. Excellent. Donc, euh, euh, nos partenaires du carnaval font très fort. Ils nous mettent de l'eau à la bouche déjà. On passe la parole à Fatou, Madame Fatou Kassessa. Je, je t'envoie tous ces ingrédients D'accord merci, euh, merci Saturnin. Euh, alors je vais commencer d'abord par euh, dire bonjour à tout le monde, donc à l'Assemblée. merci à tous d'être là. Merci au Grand Théâtre hein, de nous accueillir. Je vais revenir tout à l'heure sur notre partenariat et ce qu'il représente pour nous. merci aussi à nos parrains Hein? Euh, ici, Henri Guillabert qui représente le mythique groupe Halam 2 et également euh, le professeur Park Sensen qui est notre parrain mais qui malheureusement n'a pas pu euh, venir. merci à nos partenaires. je vais nommer l'ENAMC qui est l'école nationale des métiers de la culture et des arts qui est ici représentée par Madame Yael. Euh, merci également euh, à la Fédération euh, des artisans du cuir, représentée ici par M. Hassanbo. merci au collectif des acteurs du tourisme au Sénégal qui sont nos partenaires et qui, et qui œuvrent avec nous depuis les débuts également pour vendre le carnaval dans leur, dans leur catalogue. merci. Euh, aux, membres du collectif euh, du carnaval, parce que le collectif est composé donc, euh, de, à la fois d'acteurs culturels comme Mali qui organise le, festival Mossan comme Prince qui vient du Congo, et qui est installé ici maintenant, comme le Tchada national, voilà, donc comme Cher Hamad, artiste peintre, comme Gabriel Rythme, et puis bien d'autres, euh, d'Acarionétique. Donc c'est un collectif donc, qui est composé euh, de différents acteurs euh, culturels et touristiques, artisanaux. Donc merci. Et enfin, merci à la team du carnaval qui, qui est là depuis les débuts et qui, grâce à qui cet événement-là peut voir le jour. Merci à vous, euh, Méga, d'être présents aujourd'hui. nos activités ont besoin de vous. Euh, ont besoin euh, de, cette, euh, de cette image, de cette diffusion que vous faites de nos activités, parce que ce que nous essayons de faire, c'est de mieux faire connaître le Sénégal, c'est aussi de vendre la destination et de valoriser notre, notre patrimoine. Donc une fois ces remerciements terminés, on va présenter le carnaval de Dakar rapidement. Qu'est-ce que c'est le carnaval de Dakar Le carnaval de Dakar, c'est un festival. C'est un festival qui a un ADN fort. Donc, euh, le sous-titre d'ailleurs, c'est Carnaval de Dakar, Sunyu Tchosan. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on crée cet événement-là pour valoriser et promouvoir euh, notre patrimoine culturel qui, hélas, est euh, de moins en moins connu. Hein. et donc, nous avons construit cet écran-là pour permettre à l'ensemble des communautés euh, comme celles que vous avez vues tout à l'heure, euh, qui, viennent, qui nous viennent de nos régions euh, et qui ont envie de transmettre, de montrer leur tradition culturelle, leur, gastronomie, leur costume à l'ensemble des Sénégalais et au monde. Donc, l'événement, c'est un brassage. C'est un brassage qui fait l'amitié. c'est un brassage aussi euh, qui fête l'amitié donc euh, entre les peuples du Sénégal et avec, euh, avec les peuples d'ailleurs. Donc la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'est la vidéo de Mascaclé, qui est un groupe guadeloupéen. C'est le deuxième plus grand groupe de carnaval en Guadeloupe. Ils nous ont contactés parce qu'ils ont vu passer les images du carnaval. et Dakar, Dakar, c'est Gorée aussi, donc ils ont un lien viscéral avec le Sénégal. Et pour eux, le carnaval, c'était l'occasion de venir euh, ben, nouer des liens sur la terre de leurs ancêtres déjà et euh, montrer un peu ce qu'ils ont euh, retenu aussi de, cet héritage culturel qu'ils ont dont ils ont hérité avec leurs ancêtres qui avaient été déportés, et nouer des liens euh, et donc c'est là euh, tout à fait l'idée euh, bah, du lien avec les diasporas en fait, parce qu'on peut les compter parmi les diasporas africaines. Donc le carnaval de Dakar, c'est donc la célébration de la diversité culturelle, c'est une plateforme d'expression artistique, un vecteur de cohésion sociale, un outil de promotion touristique, parce que la culture vend une destination. Euh, c'est la raison pour laquelle nous avons ce partenariat avec euh, le CATS, le collectif des acteurs du tourisme euh, au Sénégal, qui veulent proposer ce, carnaval dans leur catalogue parce que bah, ils ont des demandes à propos des festivals culturels. Donc le carnaval, c'est aussi un vecteur d'engagement. Hein. c'est déjà un événement engagé parce que euh, nous valorisons un patrimoine et des traditions, euh, mais euh, il y a d'autres engagements que nous mettons en œuvre dans l'esprit du développement durable. On fait attention aux déchets, à la gestion des déchets par exemple, et on sensibilise aussi sur des questions sociales, sociétales. parce que la culture, c'est un vecteur. C'est les différentes manifestations culturelles eh ben, aident les communautés à peut-être mieux euh, intégrer, à mieux accepter certaines, euh, certaines sensibilisations. Euh, l'année dernière, par exemple, nous avons sensibilisé sur, sur l'immigration clandestine. donc il y a eu les déchets, je l'ai dit, et puis cette année, l'événement coïncide avec la commémoration du massacre de Tchaboy 44. Donc la culture a un rôle de transmission, la culture a un rôle de vulgarisation. Donc euh, nous allons, euh, nous aussi, en tout cas, apporter notre contribution euh, avec, à travers donc, une certaine programmation que nous allons mettre en place pour jouer justement ce rôle de vecteur d'engagement et de sensibilisation. Le carnaval, c'est aussi un forum de réflexion parce que euh, chaque année, il est important, pour nous, euh, d'introduire une partie euh, scientifique pour débattre des questions culturelles. parce que il y a un constat, en tout cas, que les questions culturelles sont peut-être un peu négligées hein, de manière générale. alors que avec la culture, on peut tout faire Hein, on éduque, euh, on transmet, on est fier de, notre identité. Euh, on crée un système économique également euh, parce que, par exemple, dans chaque festival, vous avez un véritable écosystème des industries culturelles et créatives avec un certain nombre de filières métiers, sous-métiers, mais vraiment insoupçonnables. Donc les spectateurs arrivent, ils voient le spectacle, mais ils ne réalisent pas tout ce qu'il y a eu derrière et toutes les personnes qui participent, euh, celles qui exposent, euh, celles, euh, les artistes qui participent, les techniciens de l'événementiel. Donc c'est vraiment une véritable industrie culturelle et créative qui joue un rôle dans, dans le développement du pays. D'ailleurs, notre table ronde cette année portera sur le rôle des festivals dans la valorisation du patrimoine et dans le tourisme. Donc euh, l'événement se déroule tous les ans euh, le dernier week-end de novembre. Euh, donc cette année, nous allons étendre la, période donc, et commencer donc, le jeudi 27 novembre et terminer le, le dimanche 1er décembre on a tenu à... En fait, tous les ans, on a réussi à, maintenir cette date malgré les difficultés. C'est inscrit dans un agenda fixe. Le dernier week-end de novembre, ça permet de mémoriser les périodes du carnaval, quel que soit euh, notre lieu, notre lieu euh, de résidence. Donc, euh, notre partenaire phare cette année, c'est, vous l'aurez compris, le Grand Théâtre le grand théâtre euh, Loulinaï Kumborose. Et donc à ce, à ce titre, euh, je tenais à remercier encore une fois euh, le directeur, le nouveau directeur du Grand Théâtre, donc ici Salim Falgay, parce qu'il nous a accueillis d'une manière inédite. nous sommes à la cinquième édition et, et, franchement, on peut apporter le témoignage que c'est vraiment la première fois qu'une institution s'intéresse à ce point à notre projet, qu'il puisse comprendre ce qu'on essaie de véhiculer, qu'il puisse le prendre au sérieux et surtout ne pas simplement être dans la culture, mais considérer la culture comme un simple folklore. Donc vous avez entendu euh, ce qu'il a dit tout à l'heure, vous avez entendu son directeur artistique, ce qu'il a dit. Donc on est là dans un état d'esprit, en tout cas nous privés, euh, qui nous galvanise. Qui nous galvanise. Euh, parce que, encore une fois, c'est un partenariat inédit, une structure euh, publique qui décide de s'allier avec un entrepreneur privé pour, pour un tel projet. moi, je dis bravo au DG, c'est la bonne voie. En tout cas, nous, c'est ce que nous, attendons. Nous avons longtemps espéré et nous l'avons là. Euh, comme disait, euh, je crois que c'est Saturnin et, euh, et Omar Bayan de la direction du patrimoine, nous avons rêvé, nous avons rêvé en 2019 parce que le Sénégal a une richesse culturelle mais, mais incroyable. ce que le Sénégal est aujourd'hui, c'est grâce à sa culture, c'est sa spécificité culturelle. Nous avons une certaine stabilité, cette stabilité qu'on ne retrouve malheureusement pas dans les pays euh, environnants, elle est due à quoi, d'après vous Elle est due à sa spécificité culturelle, le fait d'avoir cette diversité des communautés, des ethnies, qui s'entendent et qui se voient ensemble, qui a sa propre spécificité, mais qui se considèrent ensemble comme Sénégalais. Ça, c'est quelque chose euh, que peut-être que nous le vivons euh, au quotidien et, que par conséquent nous ne prenons pas assez conscience de, sa valeur, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important et c'est ce que nous essayons également de valoriser à travers euh, notre événement. Donc, nos objectifs cette année, ça va être vraiment d'avoir ce partenariat-là qui va permettre à l'événement d'être encore plus productif, encore plus, plus grand, encore plus divers et, vous apporter un certain nombre euh, de surprises. Notre, euh, euh, nous voulons également une participation en hausse, une participation des troupes qui vont devenir encore plus nombreuses des régions pour être ici à Dakar, la capitale, montrer leur, leur culture. pareil pour le public. nous voulons également nous en profitons également cette année pour fêter les 55 ans du Halam 2, euh, qui nous fait l'honneur de, parrainer euh, cet événement-là. Euh, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu le Halam, le Halam 2, c'est un groupe mythique. c'est un groupe qui a fait voyager le Sénégal à travers le monde, qui a fait les plus grandes scènes de concert, qui a joué aux côtés des plus grands qui a même participé à un album euh, des Rolling Stones. Euh, qui a participé à un album des Rolling Stones. Et donc, euh, c'est un groupe qui est important, en tout cas pour nous, dont le parrainage est important, parce qu'on retrouve dans leur musique ce que nous essayons de faire. Ils ont, alors à leur époque, fait une pause dans leur carrière, fait une tournée à travers le Sénégal pour mieux comprendre les sonorités les différentes ethnies que nous représentons ici. Donc aujourd'hui, ils sont dans une dynamique de transmission, euh, mais il y a un travail énorme qu'ils ont abattu et qui inspire encore un certain nombre euh, de jeunes. Euh, et donc merci au Halam 2 d'avoir accepté d'associer son image au, au, carnaval de Dakar. Donc il donne un concert le 12 novembre, le 12 octobre à Paris mais un très grand concert ici, dans le grand théâtre euh, euh et Rose. Euh, cette année également, euh, comme, comme objectif, c'est donc d'être inscrit en off de la biennale, parce que ben, ça coïncide en fait, la biennale qui a été repoussée là en novembre, et eh ben, nous serons en pleine biennale, vers la fin d'ailleurs de la biennale. et donc, inscrit en off, ça permet d'apporter aussi une offre complémentaire parce que la biennale attire, attire euh, les touristes du monde entier. Donc, sur l'art plastique, et nous, nous avons euh, une offre complémentaire pour mieux connaître, euh, connaître le Sénégal. voilà, donc moi je vais simplement terminer. <laughs> pour, euh, euh, je lance en fait, euh, je vais faire un plaidoyer. Je pense que vous l'aurez compris avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est important pour nous. le plaidoyer, je vais le lancer en citant à peu près une expression de, de, Senghor, que la culture est au, au, début et à la fin de tout développement. un festival est utile. Dans la sous-région, nous avons de nombreux pays qui valorisent leur festival parce qu'ils l'ont compris, leur festival culturel. Donc si des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, euh, comme le Maroc, qui avec un seul festival à Essaouira, un seul festival à Essaouira, c'est même pas la capitale, attire 400 000 visiteurs par an. Donc nous, nous avons, enfin nous devons, euh, ben, nous devons nous serrer les coudes euh, nous, devons nous investir et nous engager euh, pour euh, valoriser notre culture. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette année notre thème qui est transmission, patrimoine et transmission va nous permettre en tout cas d'aller vers toute cette dynamique de, de, de, de, valorisation mais avec un esprit de souveraineté culturelle. Ça veut dire que nous racontons notre histoire, nous parlons du Sénégal et nous le faisons avec, avec nos peuples. Voilà. Donc euh, je vais m'arrêter là. Euh, <laughs> on me fait de grands signes. Et donc, euh, Merci beaucoup. on va revenir à DG, de répondre. Non, pas une réponse, mais juste une contribution, parce que je viens de recevoir le message de Khadija Gay et de Bakarissa. Ils sont en route pour partir à Matam. Il y a une tournée là-bas ils m'ont envoyé un message me disant qu'ils vous félicitent et aussi euh, seront de la partie. Et vous dire que, nous dire, parce que nous sommes ensemble, que nous allons être ensemble. Et l'État du Sénégal, vraiment, va mettre la main dans le carnaval. Merci. merci DG, ça c'est une très très bonne nouvelle qui nous honore parce que vous n'êtes pas sans savoir que M. Bakarissa mm. est le secrétaire général de la culture, c'est notre patron, et Khadi Dengay, c'est le ministre euh, de la culture, du sport et du tourisme, n'est-ce pas Donc euh, avoir le soutien de ces personnalités va en droite ligne sur ce que nous avons dit en prélude, l'engagement de tout un chacun, du gouvernement au plus petit Sénégalais, ce bâtiment qui est le Grand Théâtre, qui est le seul en Afrique noire francophone. Au Maghreb, il n'y en a que deux, à Rabat et à Marrakech au Maroc. Et par rapport à la capacité, nous sommes le plus grand théâtre avec 1800 places. C'est un honneur pour le Sénégal. Et c'est à vous, journalistes et nous, de travailler pour vendre ce monument qui nous appartient le plus. Merci BG ce soutien. Merci nos partenaires. Et Madame Fatou Kassessar, nous allons travailler ensemble dans la communication du Grand Théâtre, parce que vous avez de l'expérience, je le sais. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à un artiste aussi, le directeur technique du carnaval, le directeur euh, artistique du carnaval, mon cher ami Digan. Ouais, waaw lan nga dugal waaw ndeysaan kii ngeen gis mu taxaw mooy Lat Joor kooku fekk ko moom mu ngi jóge tubaab jalaaw xam naa foog ñu ne ko jëlee mbir ba jibe ma joor bi ci tool bi la sukaadar ak joor bi ci mboose borom sartum làmb yomb na waaye foo ko dëkkee jafe siin maam alsaani siin yi moo daan ñàkkee ñi ci yéen góor ñu yendoo mar Rodi. Jom, jigéen ñi bu kenn rooti jóg keroog bi nga xamanteni ni na nekk may sa tabara ci ceeyaasin ci sàmbe boobu dangaa bëggoon a jël ndombal tank tey bëgg nekk damel ak tey war a xare ci la may sa tabara diire gent ba sol mu sànni ko tag bi ne ko sokki ko te soxalaat ñu ne ñu ne lu ñu sol mbaxanam dalde teg ca mantom dalde teg ca dal yi ci xare bu mel nii kenn bu la diree sàmme gént ba sàmme tukk sol sox bi bañ a mu sànni ko tag bi ne ko sokki ko soxalaat na ko keroog fetal gi dafa dale ci timit ga ba ci suuf dafa xar ñu ne lu tax ne gàllaaj gi doomi jaajal jooja lak sukkaabe lagu ngone lagge ñu ci sawro mi di yow yaay xaram ku ca sonn sa garaw may ñu ci taago di borom ñak bu gudd teew ci jaaru door do do war mor do jaar ci ñol do wax di ca gel ñu ne garmi di lo wax di ma su ko kayo do kor joore joor càmmeña li nga góoroo góor waaw wallaay ndeysaan. man la bëggoon na laa ci borom daane. waaw waaw man la Dior Diop sama turu judd. dëgg. xale may dëkk waaye maga may daal. Diop dëgg soo ko waxee ma ta gëm. ndax keroog mexe bi ñu tëralee kanu gi ci mexe da leen a dàq ci sàq ñàkk leen xarsal leen mais su ma nee tubaab nee leen Diop man góor gu Diop man. waa génn même réew. lati jambadinya ulo, nyawulo lajo gone lati jambar di nyawulo ngene len damay lati jaar ñeum ci ci seen digëk teen ba ne kenn du naan jóg keroog nga rey seenu góor jàpp seenu jigéen ñu ne la kaay ñu fal la waxe woonu ko woon nii doomi buur a garmi nga kulli joor joob ñaawuloo da ngaa xare siib xare saalum lakk pitaar dellu lakk paataar duma leen ci xay a mëri ngoonee ci xàndak jax jaxee leen ci jax jax jaxee leen ci dugóor duma leen ci pind bi ci kanamu ndànd <laughs> excellent xamoon naa ni saxaar bu bu jógee raay faaw mu bu jógee gaar faaw mu corne xamoon naa ni sama mbokk artistes yi nii lañ may defal mais dafa tombeek sama la joor da sama directeur général bi <laughs> waaw foofu lay tàmbalee foofu laay tàmbalee foofu laay nuyoo ndax ñun dëpp yi ñu gis ko ba léegi suñ xel dafa dal suñ xol suñ xel yi ubbeeku gën a yaatu dañoon bugg a def lu ndaw a ndaw mais moom dafa yokk suñ xel bi taawi ko ñu lay wax jërëjëf lajoor ñaawuloo sëriñ Gueye Fall waaw amaree maamam waaw soo ko dàqee kooku day dem ci ki nii maamam moo libéré woon Kajoor ak Bawol ndax keroog bi fi benn buur rek nekkee ci réew mi ñu tudde ko buur ba jolof te la ma ndécce fu njoogu ne fi du Amari Ngoone Sobel 1549 xareb dànc boobu nga xamante nii xam naa dinaa ko ci sërxal ñetti at a ngi ñu koy tourné mënta yegg ndax ñàkki mooy <laughs> keroog keroog faal bi Amari màggee ne bàyyi lu waral lii mu ne dama fee fekk loo xamante ni ne dama koo mënta randal mu ne ko muy lan mu ne yàqu buur yi ndax yooyu jamono dëkk bu ne la mu am lay yóbbu kajoor suuf lan daan yóbbu ñu ko daan def ci géttu buur ba jolof tundum baxane tundum baxane li ci leela fuli fàkk ñu ciy xalangal fas yi daan am na ñu daan yóbbu xorom siin sëng noonu la ko daan toppe ci dëkk waaye keroog bi Ahmad yi màggee laaj bàyyam lu tax mu wax ko ci la dem ci leela fuli fàkk jëflanteeg moom ca dànc ba leela fuli fàkk saa yi ñu dikk sampur ki nga xamante ni mooy Umar yi wane sabar war koo defal dëgg-dëgg mooy Damel di Kayor kii maama moo libéré Damel di Kayor maanaam moo libéré réew mi moo tax ñu ne suñu dee denc fu njóobu te naan njóobu maa njamal di jëware maa njaman njaman ñëwaan ñëwaan ño ñuq yëre faam kunda soo demee mooy jib soose waaye su tukkee sañcu dëkk fàkk dédd gi def ko mu di kon ñu ne faal gi ci dédd gi waral tool yi borom dee tolu jay façon rek fasam jël fas wa ne dootul dégg jay fasam la tudde woon dootul dégg jay kooku dama koy wax moo tax xanaa réew mën na noo xuloo waaye mën mënu noo xaste ndax ñun ñëpp xamoon naa ni di ma laal xamoon naa ni dinga ñëw laa bataille de Danki ndax man sama maam dama ko daan reetaan boo waxee rek mu ne je suis le premier de l'AOF ma ne ko maam le premier griot de l'AOF moom mooy laal munuma kérok ba histoire tuba bi bëggee bindaat histoire di xol la bataille de Danke da wo gëwul yépp kenn mënu sé expliquer l'histoire de la dislocation du Jolof néna mom bu mu jëlé cadeau bi mi ngi tuddu ñaan bi seen ba mu waxé dingo xam ngeen dingo moy mooy waxambaane bu tollu ci dugg dolem moy ëmmëri ëmmëri mom matul won sax nit matul woon waxambaane la won mom lolo tax mu mënoon na def la def layla la fuli fat bu mu expliquer histoire bi la ko tubaab bi ni ko yow mi ya xam histoire bi yow la yóbbu France man ko ayo ah, yow yaa ngaa wax mom loo ko wax rek mo ne ma je suis le premier griot bo de bu France man may Afrique euh, la wef la lañuy wax sama mam mi ngi la dior sen waye da ma sek la dior Jóob bu tuba bi ñewé diko japp ñu ne ko yow la yaay Lat Joor dañuy moi Lat griot waaw na leer waaw di leen remercier caada lii rek neex nañu doy nañu man nag je vais parler plus artistique moo tax xam naa sama mbokk artistes yi jàppale may nii ma ñëwaat si sëriñ Gueye Fall mi day nuroog Amari Ngoone Sobel dañuy xëy lajoor ndax faatu mii bëgguma wax si moom waaye dañoo jaaxle woon demoon nañ ba si bugg a def carnaval bi sax côté Ndiaganiao ndax fu ñu jublu rek ñoom duñ xam lan mooy idée carnaval moom mu ne indi leen ma carnaval bi ma tungoom leen yiir leen yaatal leen yal na yàlla fay ndax lii ren ñu doyee DG ñun dañuy jóge dañuy foli lañuy def Fatou def ni ma carnaval bi ni muy demee ren ak sama équipe bi ma koy équipe bi may nuyu Rama mu jàll jottali ma sama nuyoo ñëpp Rama Thiam mi nga xam ne dafa toog si su ba léegi mi ngi fi moom it waa taxaw taxaw ñu rek Fatou dañu ma ren thème artistique artistique bi patrimoine et transmission la ma ne cey transmission dafa mel ni mooy bokk lu ñu moom ak xamle mu ne ma damaa bëgg ñu tukki nga fexe ba spectateurs yeeg. ñuy seetaan ñëpp ñu tukki man ko ah mën nañoo tukki de dana metti lool nag te dana dana jafe waaye comme am nañu sëriñ day yomb suñu xel ñu xalaat ren ni la danse ekonkom bi nga nekk bu nekk Casamance di def représentation sportive c'est des ñoom tamit ay dingoon lañ ay waxambaale yu tollu seen diggu doole lañ yor costume yi rafet ñun foog ñu indi leen dans les rues de Dakar mu représenter la Casamance ñu dem Fouladou, comme maire euh, Kolda bi mon partenaire depuis le début moom dinañu indil peuple Fulaadu Fulaadu bi sunu mbokk yi nga xam ni koñaag yi lañ ñoom dañoo nuroog basare yi lañ gën a xam

Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye muy juróom ñu waxaat cinquième édition grand carnaval de Dakar muy juróom kon ala daw na te bu nu wàññee waat bu nu waxaatee juróom lu ci teg juróom ñu ngi tuddaat juróom kon juróom rek la waa juróom mi baaraam lañ am juróom man ko ren insha allahu rabbi xale bi dina dox dana waajal école te dina wax alhamdulilah rabbi alamin bañ amee directeur bu mel nii jàppale ñu ñu ni naar yi dañoo war a ñëw jaguar yi ndax waa Ndakaaru xamuñu gileem fokk ñu euh, jaguaru gileem yi tàkk euh, euh, saqi fitali naar yi sarxoole ak seeni costume yu rafet macha allah ñoom it bëgg nañ ko dañuy ñëw ñu ni ndur ndu xam ngeen ndur mooy mbootu séeréer yooyu kees yu mag yooyu ñuy yor di eh, na ma baal leen ma ci terme naa wax initiés yi rek les initiés ñoom ak seeni kos yu mag yooyu dina mat cinquante personnes ñoom dina ànd ak mboot bi ñu ñëw si rue yu Dakar yi dinañ fa fekk caada danañ fa fekk majorité xam naa ni fukki penc ak ñaar ni ñu koy waxee lébu yi danañu dalal danañ fa fekk waa ngéwal rythme yi nga xam ni ñoom càkkaabaak kumpo kankura gaynde yeeg lépp loo xalaat rek am nañ ko si folklore ñoom dañ ko indi dañ ko indi incha allahu rabbi euh, di wax Fatou xam naa ni luy waa ji doon wax Dakar dina nuru tokk sa bën saan ba waaw kay ndax ñu bari dañuy yaakaar ni festival affaire wu fo la wala affaire wu fecc tëgg fecc la fekk ñun dépassé nañ loolu ñun dañoo bëgg a jaay Sénégal comme ni mu ko waxee boo demee Maroc Asawara 400000 touristes di ñëw pour ben festival ñun Sénégal amuñu amaguñu ben festival bo xamni ci da dafay drainer ay touristes ñun man nak bokkoon na ci ben ba leen ma présenté wu ma sax ma ngi tuddu Cheikh Ma Jimbere Ndiaye ndigal géwal la ma kat waaw bokkoon na ci ben festival bu ñuy wax festival du Sahel bu ron bu ñu défé ci désert lompul bi bobu moom dal nañ indi ay touristes dal nañ ko jaay lu cher indi nañ fa baba mal indi nañ fa. Bassirou Kouyaté indi nañ fi lu bëri bari man maa nekkoon ambassadeur du festival bi jéemoon nañu bu ma gisee Fatou mu may wax carnaval bi laa ni waa kii de moom mi ngi nii kii de am na loo xam ne si mooy indi touristes yi pour euh, Sénégal donc carnaval bi mbir moo xam ne si ñun ñëpp ñoo si war a teg loxo jour boobu sax amul ni man kat photographe la Caro dafa war a sañse caaya ju baax teg si Samba Sembé comme le directeur di sañse xool xool ko. boo ko gisee rek doo ko laajte te ñun loolu lañ soxla ñu culture dañ ko jàppe ni mooy lu ñuy nuroo lu ñu nuroo carnaval bi loolu rek lay lay reflété yemunu nag ci déambulation beeg parade bi dañoo waroon créer ay char ñu ànd seeg ñii waa NMC yi bañ leen gisee dañoo teel a juboo waxtaan ñu bugg a defar ay char char yoo xam ne si dañoo ni ah pël yi daal kenn tuddu ci lu bëree bëri sama mbokk pël yi séeréer laa bàlle na sama mbokk pël yi ñun foog ñu créer ay char yoo xam ne ay màng la euh, nag yeeg xar yeeg bëy yeeg yépp dañoo war a sàmm dox Dakar antal ko ñu ngi koy defaree nag par ay ay lañ koy defaree loolu bëgguma ko wax lu bëri ndax ay surprise la bëgg nañoo indi monument de la renaissance Dakar. boobu char boobu gris lay nekk euh, dina jële monument de la renaissance indil ko Serigne Gueye fii si grand théâtre bëgg nañoo jël ay ñetti car bus ñu habillé ko comme gaynde mu nekk benn gaynde bu góor ak gaynde bu jigéen ak gaynde bu ndaw di wane suñ xarañteef ak suñ kàttan suñ doole Sénégal bi ñu yor ni gaynde lañu gaynde yooyu aussi ay bus lañ koy defaree ñoom ay char lañuy doon am na leneen yeneen surprise yu si nekk di wax ni carnaval bi mi ngi noonu artistes yi buñ dee wax seen i wax dafay xaw a yéen a ma gën a xam Samba mi ngi may xool di ma piis ni xam moom directeur artistique la mais structurel man directeur artistique artistiquement xam nga ñun ñaar suñuy suñuy mbir dafa day na loolu daal waaye dinañ jël xale yi aussi san sanseel leen camp de dinañ représenter 44 nous allah défilé bi xalé yi lañ koy rendre hommage à nos anciens combattants yi du non la suñu nous yi nga ñom ñoo Pour bu bëgg nañu ni gendarmerie moom cavalier ak déjà am nañ sax ay costume carnaval seen mbir la ngeen baal ma ab tuuti ret nag ma gërëm ku jara gërëm ndax tey nag bu yaasin buubu ñëwaatoon du nu ko toogal de toogeel nii bu Aline Sitoé Diatta ñëwaatoon du nu ko accam du yàddee ko seen mii ñëwaatoon démb daan ànd ak sama fu ne du nu ko accam koo xam ne si alalam dooleem kàttanam mayu ko benn espace pour lépp loolu xam ne si culture da koy jëmale kanam ak Sénégal da koy jëmale kanam si lay dox ci lay wax moom yenn saa yi trois heures du matin sax la lay yónnee message ñu ne ko waa yow nu deme nii muy soxna si toog ñu koy wax Fatou Kase saa damaa bëggoon ñu defal ko une minute une minute boo xam ne dañ koy tàcc ba ba waa France yam bàyyi njabootam bi ñëpp tàccu foorul de tàccu foorul de foorul de faaw dama doon wax faaw faaw ma wax gërëm la ndax man jëf rek laa xam man kenn du nanku cuune moom ma këll di daggaat xaw ba xam dégg ngeen wax ji man nàmp cuune moomu ma këll di daggaat yàlla teel na maa teral yàlla teel na maa teral ku ma ne yow ku baax nga rek ku baax nga yow ku baax nga li ngay def lépp culture ak Sénégal la tax a jóg ci kenn man bu ma lay xam première carnaval bi tase neen sax su police yi te la ndax man dama dégg carnaval de Dakar rek ñu ne ma Etienne eh, ndigal ça va man ngi wéy ñu ne ma man la diw ma ne ko waaw mu ne ma dañoo bëgg a organiser carnaval de Dakar mais amagul benn élément ñu wax ma ni ma yow buñ la woowee di nga am ay élément yu def carnaval bi man ko waaw waaw bu ngeen ma woowee waaw waaw man am naa am naa ñaata ci personne ngeen soxla am naa 200 personnes waa ji jaaxle mu ne ma non est-ce que mën ngeen wàññi kay 150 man ko waa 150 mën naa nekk mu togate ni ma 130 man ko waa 130 dañuy ñëw laaj ma ne ko wutal ma xale yi li ñuy passé ak li ñuy li ñuy añe Inshallah, on rabbi di nga carnaval yaakaaroon naa na mu ko waxee woon nan moy première édition bi yakarna TV5 merci beaucoup à vous moi parlez-vous à vos télé français ndigal moi amenez euh, le Ndawradine le Simbou le Chakabal, le le le Kumpo le TV5, euh, je ne sais pas, le représentant est là, pour dire que vous êtes vraiment nos partenaires depuis le, début. Hein, le TV5. TV5, moi, parler TV5 français, monde. voix comprends-moi. Oui. oui, ah, di leen gërëm nag yéen su euh, amul fay du dem nous ñu le Sénégal ci yeneen anam jërë ngeen jëf bàlleen ma ak je naa ëppal naa sax waaye bàlleen ma merci digal merci beaucoup man digal li may def yaay sama xarit bëgg artiste merci beaucoup digal nous allons passer la parole au parrain à vous l'honneur ah alaikum. je pense que c'est bi wax ngeen lépp mais moi je pense que je vais être bref parce que je sais que en fait, cet événement est un événement dont le Sénégal a besoin. Je l'ai toujours dit, on, le dit toujours. On a, nous, on est d'une génération où il y a eu des événements qui ont attiré du monde. Et surtout, ces événements-là étaient une sorte de coalition entre beaucoup d'artistes, de, de, dirigeants qui aimaient l'art en général et qui se mettaient ensemble. sorte de coalition. On parle beaucoup de coalition actuellement. Mais c'est ça qui peut nous permettre, en fait, de réussir certains événements. Parce que si quelqu'un a une idée de dire, bon, je vais créer un festival tel, s'il n'y a pas ce soutien de, différents cadres, je ne sais pas, je parle <clears throat> d'artistes, artistes, euh, dirigeants, ni dirigés théâtre. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé que directeur au théâtre, il est dans ce même esprit. Parce que tard, un théâtre magnifique qui a tout. C'est-à-dire que lui, c'est l'un des rares théâtres en Afrique de l'Ouest. Ici, il n'y en a pas d'ailleurs. Avec la capacité, l'infrastructure qu'il y a là-dessus, ce théâtre doit vivre. Donc, il doit accueillir et soutenir des événements majeurs. Yohamni, ça valorise le Sénégal, les artistes et l'endroit en même temps. Donc, je pense que nous, on a toujours fonctionné comme ça. On a été euh, un, groupe groupe Bohamni, on a compris ça très tôt. Parce que nous, très jeunes, on s'est mis ensemble on était des individus différents la preuve am ku histoire légui. ñun on a commencé par faire de la variété c'est-à-dire de reprendre n'importe quelle musique à un certain moment on s'est rendu compte que nous, li ñuy def nii du et on écoutait des musiques buy Zahir, Zaïre buy jógee Côte d'Ivoire partout Nous, xëy benn bés bàyyi lépp jël suñu benn oto benn xam ngeen 404 bâché yi wër Sénégal bu mu mais quand je dis wër c'est-à-dire on est resté trois mois. On a fait de Matam, Velingara. C'est et On est parlé partout. Là où on allait, on essaie de rester une semaine pour apprendre. C'est là où on a récolté les bougarabou. on ne le connaissait pas en fait et pour apprendre. Et on a travaillé pendant des années pour créer une musique qui puisse être une musique d'inspiration traditionnelle, purement traditionnelle, et maintenant s'ouvrir. C'est ce que Fatou expliquait tout à l'heure. Du coup, ça fonctionnait. En fait, on était. Euh, pour, pour, les étrangers, c'est une musique originale. Or que fille, amna fille, so dougué, il faut que rek. La preuve, man li ba gis fi li <clears throat> li ma expliqué tout à l'heure ni par exemple li théâtre bi nga def ni waa ji di way affaire la Dior ni amoon ay période yoo xam ne Sorano daf organiser l'épopée du truc la Dior xam nga les gars yi nga gis gars yi génne cosaan bi dëgg solal gars yi do géew wax Lolou, moi je pense que théâtre bi doit une encore c'est possible parce qu'il y a des metteurs en scène ici il y a des artistes il y a y a tout y a, tout le potentiel en fait qu'il faut Nous, nous, nous on soutient ce carnaval depuis longtemps parce que Fatou travaille avec nous avec le aussi et on sait que c'est positif et ça va rapporter beaucoup de choses au pays au grand théâtre aux, artistes il faut que artistes aussi en ouverture parce que d'autres taxaw ni rek man dama aay quoi que ce soit non da ngay participer parce que yow ya mën dimbali aussi artiste bi mo meuna dimbali gan théâtre bi faciliter ko pour accès su artiste bi taxaw man dama cher par exemple douma jouer li non parce que artiste fa war a feeñ la Souleymane wax la Faye di wax soo waxul doo feeñ il faut ngay taxaw di wax pour ñu gis la nga meuna siw donc voilà et puis aussi pour wax ni grand théâtre bi ak ki ko tuddee aussi dañu am un lien bu fort du Ndiaye Ross suñu papa la suñu inspiration la soo seetee morceau xalam yu ci wolof yëpp tëgg bi moom moo ko ñun xalam gis na fort sabar te pourtant duñ nag mais mën nañu dañ ko dem inspiré wu ji te bi à l'étranger suñu doon wax ku leen et le fait que ñun on était proche de lui ben affaire moom mësal na xat yi te yàgg c'est que il voulait que nous rendions hommage avant mu fi jóge daf ko nous wax carrément c'est-à-dire que man j'ai des enregistrements témoins où nous wax carrément ni man dama bëgg ñu avant su fekkee dañ may teral wax donc le fait que grand théâtre tout doux dans nous, ça nous ferait plaisir de jouer ici déjà kooku nous déjà lolo et fàttali ñu wax transmission bi lui il nous a transmis sa savaram nous on a envie de transmettre aussi sa je dis jouer bëgg invité ay percussionniste wake-up yu yeneen génération et tout et on est ouvert et prêt à collaborer avec le grand théâtre aider si on peut aider parce que nous on a fait notre temps maintenant quoi c'est le temps de la transmission ou bien joxe lenge quoi ou bien joxe donc donc je vous remercie Merci beaucoup, monsieur Henri Guillabert. J'ai fait exprès pour ne pas le présenter au début. <laughs> Non, mais c'est Tout le monde le connaît. Et je vous remercie pour ce standing ovation. Et je m'en vais vous annoncer aussi une collaboration qu'on va avoir avec eux parce que le Khalam va fêter ses 55 ans cette année. Et on retrouve le 5-5 de euh, ah Bigel, Bigel, Bigel, Bigel, Bigel, Bigel, Bigel, Bon, merci, mais tout est. Bigel, Bigel, à mooy juróomeel bi juboo ak jubóole yàlla nañu yàlla may Sénégal ñëpp juboo nekk benn ndax Sénégal réew teranga la réew jàmm la waaw koo si gis na day reetaan Sénégal sama xaritu tubaab dañ may wax lu ma jaaxal si senegal daal koo nuyu rek mu ree la te koo ree mu ree la day leen ree <laughs> waaw day leen ree Fatou bi may wokk ndax dafa am lu ñu fàttali ñii ñoo ñii dul ñu doon projet léegi ñooy masque à clé ñoom ñooy sunu invité d'honneur ñoom ñooy jógee Guadeloupe cinquante six personnes dañu doon ñoom tax dinañ bokk si waajal hommage du Rose ndax dañuy tëgg sabar kon lu may wax Samba Diakité toujours du jaay El Hadj Coum daj Rose daa am waaye am na El Hadj Coum daj jaay am na El Hadj du jaay am na El Dindiaye Kumba verte am na Pélage Dindiaye Kumba violet yàlla na ko yàlla xaare àjjana ndax hommage bi leer na moom lu mu bëggoon Sénégal lépp def na ko foo dem si àddina am na Dindiaye Rose dama lu ma ne sump sump sax da koo jooy xam nga sump galeñ yi ñu daan foore galeñ yi ñu daan tëggee sax da koo jooy ndax moom galeñ 1000 francs la daan jënd léegi boo ñëwee Colobane galeñ fukki dërëm lay jaar paa bi deru bay da ko daan jëndee junni boo demee pàkk 1500 lay jar kon ñëpp ñoo ko war a rendre hommage jërëjëf Samba loolu laa doon wax papa yow tamit yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay bi yéen yéen tax ñu ñeme ndax bu sol cawali tax mbaxana yéeg si kaw seen yéen a yéen a tax waaw jërë ngeen jëf yàlla nañ fi yàlla gën a bàyyi dubo, dubo jubal juboo ak jubale jub jubal jubale <laughs> merci beaucoup donc euh, tous les membres ont eu à prendre la parole euh, rappelez que le grand théâtre va être the place to be cette année tous les main events seront ici nous avons déjà le lancement ensuite nos partenaires du carnaval vont vraiment lancer l'année 2025 le halam avec le grand Guy Guillabert qui va fêter ses 55 ans. Et je vous laisse voir ce qui va arriver encore dans l'avenir. Merci DG, merci à vous journalistes. Je vais passer la parole à Mané, notre attaché de presse, pour qu'il puisse orienter les questions-réponses. Merci. Merci beaucoup à vous, pour cette belle conversation. Parade des prises de parole. Je pense que les journalistes ont bien saisi la quintessence est l'importance de Cette conférence de presse de ce matin s'inscrit dans le cadre de la cinquième édition du plan carnaval de Dakar. À présent, nous entendons une série de questions-réponses. Alors, les journalistes, je vous remercie. célèbre euh, RFM, Le Soleil, APS, Agence presse sénégalaise, et aussi notre consoeur, la journaliste de TV5 Monde et aussi nos amis de Dakar Media. Juste pour vous dire que tout à l'heure, j'ai aussi une notification venant de la RTS. Ils préparent une émission pour l'émission Kinkiliba qui se passe chaque matin à la RTS. Alors, chers journalistes, vous avez la possibilité, vous avez deux choix, soit on fait des séries de questions-réponses, ou bien soit on fait l'interview générale avec les participants. Vous choisissez quoi L'interview. Donc, Fatou Kassessar, directeur général. Mettez-vous par là, nous allons faire l'interview par là. Merci. Il faut mettre C'est bon, on peut être libéré. Hein. non venez par venez par dix. Allez-y. Voilà. Kalam jàpp la. Thank you. Jangan memakai rencana. C'est bon. Il est Fatou directrice générale de Labelcom, initiatrice du Carnaval de Dakar. Est-ce que vous pouvez faire une présentation brève du, festival et revenir sur les activités de cette grande édition D'accord. Donc le Carnaval de Dakar, Sunyu Chosan, euh, est un festival qui valorise et promeut euh, notre patrimoine culturel, euh, dans ses expressions traditionnelles et contemporaines. Donc c'est un festival des cultures et traditions populaires qui se déroule donc euh, tous les ans, euh, le dernier week-end de mois de novembre. Nous en sommes aujourd'hui à la cinquième édition et le carnaval de Dakar fédère tout un ensemble d'abord de communautés qui viennent des régions pour présenter leur culture, euh, notre culture, notre diversité culturelle pour le présenter aux Sénégalais et aussi aux invités et euh, aux médias euh, internationaux. C'est un festival avec un village, avec des stands. sur lesquels donc, on va avoir des expositions, par exemple, de nos artisans, comme nos partenaires de la Fédération des métiers du cuir. on va avoir également des activités, des animations euh, comme cette année, nous sommes partenaires avec euh, l'ENAMC, un travail donc d'atelier de, fabrication de masques par exemple qui sera ouvert à tous. Euh, il y a-t-il des innovations cette édition euh, quel, est le pays déjà invité d'honneur Qu'est-ce qu'il y a comme innovation Alors la première innovation vraiment, c'est le partenariat que nous avons noué avec euh, le Grand Théâtre National, donc représenté par son euh, directeur euh, ici. Donc c'est vraiment un partenariat inédit pour lequel donc, nous remercions le, directeur Serine Fall Gay pour sa vision. nous le remercions pour l'accueil qu'il a pu avoir avec nous, acteurs acteurs et organisateurs de l'événement. Donc c'est vraiment la première fois en cinq éditions qu'on a vraiment euh, euh, cet accueil-là de la part d'une institution. Euh, c'est une nouvelle voie, donc de s'ouvrir aux acteurs de la culture, de, de, laisser ce lieu vivre grâce à notre patrimoine, à notre culture et le promouvoir à l'international. Donc ça, pour nous, c'est vraiment la première innovation. Ensuite, la deuxième, c'est un autre partenariat que nous avons noué avec l'ENAMC, qui est l'école euh, nationale des arts et métiers de la culture, euh, avec lequel nous allons euh, introduire la fabrication d'éléments mobiles parce qu'il y a un véritable, il forme les, jeunes sénégalais à un véritable savoir-faire dans la fabrication de masques, euh, ou de différents éléments, en tout cas cette année, qui vont permettre de euh, valoriser notre patrimoine différemment. Donc c'est cette association entre les communautés qui viennent des régions et la représentativité de notre patrimoine grâce à la créativité des jeunes Sénégalais. Ça aussi, c'est une, autre innovation. L'autre innovation, c'est nos invités euh, cette année, nous fêtons l'amitié, nous fêtons aussi les diasporas. Euh, pourquoi diaspora Parce que nous avons un groupe en provenance de la Guadeloupe. C'est le deuxième plus grand groupe de carnaval de la Guadeloupe qui s'appelle Mascaclé, euh, qui vient cette année parce que pour revenir un petit peu à ses racines, euh, rencontrer les Sénégalais, nouer des liens et donc faire la fête ensemble. Quel est le thème de cette édition Alors cette édition a pour thème patrimoine et transmission. Voilà. Euh, très simplement parce que nous sommes aujourd'hui à une époque euh, de la mondialisation. Hein, euh, où tout est ouvert. Les réseaux, on a accès à, toutes sortes d'informations et donc à toutes sortes de cultures. et donc dans ce, grand, dans ce grand mouvement international, où se situent les cultures africaines, ou en tout cas pour ce qui nous concerne, sénégalaises eh ben, elles ne sont pas très présentes. Donc, euh, c'est à nous hein, de euh, nous, fédérer, comme nous le faisons aujourd'hui, pour euh, valoriser cette culture-là, notre patrimoine, le transmettre, donc, comme on l'a dit, dans ses expressions traditionnelles et, contemporaines, et, et le promouvoir. Donc c'est un peu tout ça l'idée de ce thème-là. C'est raconter qui nous sommes, euh, le transmettre aux jeunes générations, hein, parce que nous allons aussi, euh, comme l'a dit tout à l'heure le directeur artistique, euh, travailler avec des jeunes enfants et le promouvoir donc à l'international. C'est

Euh, communauté yi euh, yi di yi Sénégal bi euh, Dakar muy capitale wu euh wané wané musique raconter aussi histoire ba tax ba sénégalais de manière générale ak étranger parce que événement donc médias étrangers internationaux yi couvrir euh, kan moy Sénégal xam euh, ci lan lañ toog euh, ba tax ñun en tout cas ñu nekk luñ mëna wax exception dans la sous-région suñu cosaan la donc mom lañuy ñuy fësal ak carnaval de Dakar bi donc li ci bees ren moy ben partenariat donc bu ñu noué ak Grand Théâtre national Doudou Diaye Coumba Rose muy nekk lo xamante nak euh, en tout cas ñun depuis bi ñuy tàmbalee événement bi bii mooy euh, première fois ñu am ben institution bu melni Grand Théâtre daal dina ah yeen li ngeen di def de am na euh xamna fi ngeen bëgg dem am amna njëriñ en tout cas ci réew mi té comme man Grand Théâtre may représenté aussi damay représenté bokk na ci ni représenter développement culture bi fi biir Sénégal ah woo naa ngeen ñëw def ko fi ñu liggéeyandoo ak équipe bi donc lolu vraiment euh, dafa marqué ben genre rupture dans. en tout cas ñun ñi acteur ñu kontaan ci torop donc di remercier euh, directeur bi euh, pour démarche bobu ak pour vision bi donc benen benen benen innovation bi moy partenariat bi ñu def ak NMC ah, lolu c'est important quand même que ñu wax ko parce que moy former jeune jeune jeune acteurs yi

Euh, mom lañuy ñëw nak euh, euh sénégalais bokku ko ak et puis promouvoir tu également revenir pourquoi le choix de ce thème également expliquer donc euh, thème bi patrimoine et, et, et transmission euh, bon d'abord dañ ko incarné ci suñu parrain Les parrain yi muy xalam de nga ci voilà, sommes patrimoine au Sénégal euh, bu nek en plus ci démarche bu muy transmettre euh, ensuite euh, Benen parrain bi muy professeur Pape Massène Sène moom tam bo len ko déggé ngén xamné mom euh, ah xana mm, bu nekul comme son nom le grand théâtre, on va ce qui est ici. On a l'espace, on a l'infrastructure et aussi amener ici des choses à mettre dedans. Euh, bon, euh, nous, depuis lors on n'a pas eu le temps aussi de discuter avec les acteurs mais profiter du ce moment, jour de lancement pour aussi faire l'âge de la culture